France daf ci wax mais Macky Sall France tax mu reculer peuple bi mobilisation bi nga xam ne daan wax ne dara du xew lu ko neex def ndax yàgg na ko def problème lu am mais bi yoon yi fi def ko ëpp loxo toog na lu yàgg mënul wax bi mu xamee ne nag tàkk-tàkk bi du jëm fenn bala mu jëm fenn ci kawam la jëm looloo tax mu reculer mais du ay France ndax moom dégluwul kenn bañ na ko pour répondre vite la def autour de lui. le président Macky Sall est l'homme le plus sûr lu ko dese quelques laudateurs du ma tudd tudd ñoo xam ne seen ay intérêt bopp rek la gérer mais ñi nga xamal ne sax dañ nekkoon autour de lui nga xam que c'est une figure charismatique, yoo xam ne sax mën na leen laaj amatu ko il ne demande plus rien à personne il se subit à lui-même il est complètement isolé mais à partir de ce moment ñooñu mu dese nga xam ne ay inculté la ñu ci ëpp ñoo xam ne jànguñu lu wax leen naka yow a dégg nga opposition amu fi yaa fi nekk lu la neex defal ba xam ne parfois il se comporte plus en roi qu'en président de la république mais bi xam na ah déet am na ay contre pouvoir naturel yoo xam ne ñu fi mais bu mu jàqee c'est nekkati boobu lépp serigne yëg ñëpp ngi dem société civile bi ngi mais il avait fait la sourde oreille parce que réagirul automatiquement il a fallu que pays commence à brûler pour nous réagir motax avec lui il faut toujours nest c'est pourquoi je le dis dans ce dossier là nga xamné ken nous xamul ndax aspect judiciaire motax les gens doivent être encore beaucoup plus vigilants mm-hmm. plus plus vigilant gis nga gis nga des décisions qui sont prises là dégg nga euh, euh, ne léegi contrôle judiciaire da ngeen xamul li ci nekkee tout cela parce que fait le problème pour il est intact xam nga dañ ko bàyyi rek muy muy mu ne hibernation mais tous les risques yéen ci waxoon benn génn ci ba rien n'est réglé dans ce dossier rien ce dossier est encore intact or ce dossier doit être réglé dans les meilleurs délais. c'est ça l'enjeu. Mm-hmm. na d'instruction il n'est pas convaincu que nous devons nous courage Nous à l'année. c'est ça qu'il faut faire Je pas compris nous les gens dafa ni dafa non non non du ci amul def à autre chose tant qu'on ne le fera pas demain demain pour nous demain, ba calme calme mm-hmm. donc ce problème là. professeur mm-hmm. mm-hmm. il faut que les Sénégalais nous mobilisent au nom de la crédibilité de la justice. pour que ce problème là honnêtement nous règle que définitivement on passe à autre chose. il faut continuer à se mobiliser pour ça. que nga xam ak non, non, politique il y un problème hein

mais ku si ne bu que ne dag ne ah. en termes de de de de par rapport population la population, tekk dara nga tout cela problème donc si l'opposition d'abord nous ñoo exiger parce que même si c'est un débat citoyen c'est un débat politique ah. politique vous écoutez il faut que ça cesse mm. mais vous allez vous voter, mais on c'est parce que l'opposition nan waxante deug rôle c'est une opposition molle et c'est là où il faut quand même le vouloir on peut ne pas l'aimer peut-être mais c'est là où aussi tous les démocrates de ce pays doivent remercier Ousmane euh, euh Sonko non c'est vrai c'est vrai parce sans lui le président aujourd'hui, réduit l'opposition à sa suite, mais l'opposition à néant donc à néant les parce que fait comme que voyons que mhm. c'est le seul qui est en train de bouger que de se battre mhm. donc ne ça on doit pas le laisser isolé mhm. tout le monde doit se mobiliser pour ça parce que c'est des débats de principe c'est un combat de principe qui intéresse le Sénégal sa démocratie et son avenir voilà ben question pour moi, le gouvernement a il le droit de recruter l'armée pour maintenir l'ordre à Dakar non non parce qu'il faut que nous nous, xam nous, nous la police la gendarmerie et l'armée nous statut. Mmh. la police elle est administrative. Mmh. elle est administrative Lolo même le gouverneur par rapport au maintien de l'ordre, du show, etc. Mais pour ce qui concerne la gendarmerie, tout comme l'armée, il faut échapper à ces types de compétences. L'armée, n'importe quand, l'on peut C'est dans des situations exceptionnelles. Or, ces situations exceptionnelles, nous ne savons pas au Sénégal. Mais c'est parce que les gens étaient affolés. armée, mais c'est armée lorsqu'il y a des états d'urgence, lorsqu'il y a des, situations de siège, lorsqu'il y a armée, pour défendre pas au niveau national mais contre les envoyés mais il du a xale yi nga xam de nous parce que ils en ont marre les gens qui génnoon parce qu'ils ont faim Ni nga xam nous dañu parce qu'en fait ils sont contre les injustices Il nga nous ne nous am les ennemis du Sénégal tout au contraire ah. c'est le peuple sénégalais et c'est pourquoi pourvu que le président comprenne et c'est là où moi je ne comprends pas parce que fait le président dans son discours a été très clair reconnaître implicitement la responsabilité de l'État dont il est le chef, en disant que nous allons réparer. Ni ni, ni délai dans leen jàppale ni feebar dans leen faj ni yàqul dans def mais ni nous jàpp pourquoi nous leen di délit d'opinion kon je tax le président et je suis d'accord mais je suis man dama di un disciple de Saint Thomas je ne crois qu'à ce que je vois. surtout lorsqu'on me parle dégg politique te nit ki boo waxee benn je mu taxu je boo waxatee man tant que gisuma loolu donc amul sens qu'on continue à les interpeller compte tenu même dafa faire en en déphasage avec le discours du président de la République. d'autant plus que nous ñu jàpp yëpp lan la leen c'est des délits d'opinion. c'est des délits d'opinion. c'est tout wax nañ ne kaas yi kenn santaane wu ko kenn santaane wu ko mais mouvement spontané par rapport à frustration xam comme tout le monde le sait le le le dossier de de tu dis même pas un dossier c'est n'importe quoi de Sonko de faire un catalyseur bi nga xam ne moo permettre exutoire de nous ñi def ko kon nañu mais de faire moo tax il faut que les gens restent vigilants nit disons def loolu le dossier continue, mais ça veut dire que le la accalmie la mais les signes yi nga ne dëgg dëgg dëgg ñu pour ne en définitive day des ci